forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du Forum de la presse du studio Kalangou. La semaine a été marquée par de grands procès, pas des moines. Il y a d'abord le procès en appel de l'affaire dite des bébés importés à l'issue duquel Hama Amadou, président du Moderne Lumana, a été condamné par contumace à un an d'emprisonnement. Il y a aussi la décision du tribunal de Nanterre en France qui déboute l'État du Niger dans le contentieux qui l'oppose à l'entreprise Africar. La demande de sursis à statuer de report d'audience du Niger a été rejetée par le tribunal de Nanterre. À suivre les analyses et commentaires de nos invités. Et puis cette alarme du Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA concernant la situation d'abandon de, beaucoup, des milliers d'élèves des écoles pour suivre leurs parents obligés d'aller en quête de pâture pour les animaux. Les régions où se passe cette situation sont entre autres Agadez, Tawa, Zender et Maradi. Et à l'hémicycle, les députés ont voté ce matin en faveur de la mise en place d'une commission d'enquête sur l'affaire des 200 milliards de la sopamine. Et en sport, nous reviendrons sur l'élection du tout nouveau président de la Confédération africaine de football, CAF, le malgache Ahmad Ahmad, qui a battu le Camerounais Issa Ayatou, qui dirigeait l'instance depuis 1988. Comme chaque vendredi, nous recevons des confrères de la presse audiovisuelle ou écrite pour discuter des faits ayant dominé l'actualité. Ce soir, nous sommes avec Jafar Maman, directeur de publication du journal L'Indépendant. Bonsoir Jafar. Bonsoir. Merci d'être venu et Arimi Abba, journaliste chroniqueur sportif à la radio alternative. Bonsoir Arimi. Bonsoir. Et merci d'être venu. Nous attendons d'un moment à l'autre Hussein Issa, journaliste indépendant. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce forum de la presse et merci de rester fidèles au programme d'Istudio Kalangu. Nous ouvrons ce forum par ce vote à l'unanimité des députés présents ce matin à l'hémicycle en faveur de la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur l'affaire de 200 milliards de la sopamine. Alors je m'en vais euh, commencer avec vous, Jafar Maman. Quelle est l'analyse que euh, vous inspire ce vote des députés en faveur de la mise en place de cette commission d'enquête qui doit faire, permettre de faire la lumière sur cette affaire de 200 milliards Oui, merci. Je pense qu'on l'avait évoqué sur ce plateau. Euh, le rôle de, euh, de parlementaire euh, est plus que nécessaire dans cette affaire puisque on est sur, euh, sur euh, une question aussi délicate que, que la gestion des fonds publics, la gestion des deniers publics, et surtout avec la sortie du ministre euh, concerné, du ministre des Finances, qui a véritablement en suivant la réaction des citoyens n'a pas convaincu. Donc la seule manière d'aller vers plus de, solutions, plus de, de faits, c'est d'aller vers cette commission-là. Et quand on sait que la, le, Parlement est tout à fait dans son rôle, et à plusieurs reprises, le Parlement a fait preuve, vous vous rappelez de l'affaire de la Sonitel, où une commission est de, de, euh, de la société de mine euh, Samira où la commission d'enquête parlementaire euh, a été mise en place et qui a permis de faire la lumière sur certains faits. Mais le plus important aussi, c'est de demander de, euh, aux citoyens, puisqu'il s'agit du Parlement. Là, ça veut dire qu'on descend vers, le, vers les, euh, citoyens, vers le peuple. Ça veut dire qu'à ce niveau, tout ce qu'on peut se, euh, souhaiter, se devoir, une sorte de veille citoyenne pour que cette commission fasse véritablement son travail en toute objectivité. Rémi Abba, journaliste à la radio alternative, qu'est-ce que vous pensez de cette commission qui, qui apparemment est sur de bonnes voies Écoutez, ben, je crois que la commission était attendue. Aujourd'hui, euh, les parlementaires ont voté à l'unanimité euh, la mise en place de cette euh, commission. Ça ne peut être qu'une très très bonne chose, espérant que l'enquête sera conduite jusqu'au bout et que les résultats, nous les saurons. Donc euh, c'est de cela qu'il s'agit. Mais quoi qu'on dise, c'est une affaire euh, que les Nigériens jugent des plus rocambolesques. Euh, il nous faut vraiment toute la lumière sur, cette affaire. J'espère que pour une fois, vraiment, nos parlementaires feront le travail jusqu'au bout. Alors, nous avons notre troisième invité, Ousseini Issa, qui est là à présent, qui, vient de nous rejoindre. Ousseini, bonsoir. Bonsoir, comment ça va Bien. Et donc, euh, c'est cette question. Ce matin, les, députés donc à l'hémicycle ont tous voté en faveur de, la mise en place d'une commission d'enquête sur euh, cette affaire de 200 milliards. Une bonne chose, une bonne nouvelle Une très bonne chose. Mais moi, j'aurais aimé que l'affaire soit jugée directement. Où Au niveau de la justice. Tout simplement. Commission d'enquête parlementaire, on en a vu. Ça a donné quel résultat Commission d'enquête parlementaire pourrait inquiéter qui Parce que tout simplement, le monsieur qui est impliqué dans cette affaire, il fait partie du précaire. Et il n'est pas évident que cette commission d'enquête-là, même quand ça va aboutir, qu'on ait des résultats palpables. Moi, j'aurais aimé que ce soit de la même manière que dans d'autres affaires, le procureur s'est auto-saisi de cette même manière que le procureur s'auto-saisisse par rapport à cette affaire-là. Parce que ça engage toute la nation, ça engage l'État. Mais du moment où déjà cette procédure de commission d'enquête parlementaire a été oh, engagée, elle doit être salée ou pas de Samira, oh, il y a eu commission d'enquête parlementaire jusqu'à ce qu'on vende la société à une compagnie nigérienne. Ça a donné quoi Ça a été quoi le résultat Ça a été quoi le résultat quand on veut lutter contre l'impunité, moi je pense que c'est la justice et dans son indépendance. Mais tant qu'on ne crée pas les conditions pour que cette justice soit indépendante-là, moi je vois pas, commission d'enquête parlementaire, les gens vont aller travailler, ils vont prendre des, des, des, ou je ne sais plus comment on appelle ça, pendant des mois, mais ça va donner quel résultat Quels résultat Ils vont travailler et donner Ils vont les travailler, ils vont les mettre les résultats. Mais ça va servir à quoi À quoi ça va servir vous n'êtes pas confiant Non, moi, je ne suis pas confiant. Pas du tout. Pas du tout. La justice, on doit. En Occident, on voit ce qui se passe aujourd'hui en France, y compris par rapport à des candidats qui sont aux élections. On les met en examen. Mais pourquoi ça ne peut pas se passer ici Pourquoi Pourquoi on peut penser que non, non, on maquille les choses Commission d'enquête parlementaire. Pour faire quoi Pour découvrir quoi À partir du moment où ceux qui sont impliqués dans le dossier, là, il y a des signatures, il y a tout, dans les sur les documents. Mais on va, on va faire une commission pour chercher quoi Alors, euh, Jafar Maman, vous n'êtes pas du tout aussi confiant quant à l'aboutissement de, de, de, des travaux de cette commission. Est-ce qu'elle est, d'abord nécessaire Bon, je pense qu'on est dans une étape nécessaire ou pas, puisque déjà l'acte est, déjà posé c'est de souhaiter qu'elle puisse faire son travail en toute euh, impartialité. Je suis parfaitement d'accord pour les cas, pour des faits passés que j'ai d'ailleurs soulevés, le cas de Samira, euh, qui est resté euh, sans suite véritable. et à l'affaire de la Sonitel aussi qui a suscité une commission d'enquête et qui, a, qui est restée aussi sans grand résultat. Alors comment rendre, efficace? rendre efficace Rendre efficace, c'est pour cela que j'ai dit, puisque ça descend, au niveau du Parlement, ça veut dire qu'on est à côté du peuple, puisque les parlementaires sont les représentants du peuple nigérien. Et c'est en ce moment-là que le peuple peut jouer à travers des, des, forces organisées qui sont les, les, associations de la société civile pour faire pression sur le Parlement, être une sorte de euh, un moyen de veille pour que cette commission puisse faire véritablement son travail. Et c'est cela que ça peut être important. Je suis parfaitement d'accord avec Seigneur qu'on aurait dû. Dans d'autres cas, on a vu le, c'est la justice qui s'en est saisie à travers le parquet. Euh, on aurait dû voir euh, cette évolution. Je voulu faire le parallèle avec l'affaire des 400 milliards de Tanzanie qui a suscité toutes les réactions, euh, même du procureur à, son temps. Ça veut dire qu'on aurait dû se retrouver dans, ces cas de figure. mais puisque on a choisi une autre voie. Et je suis vu que beaucoup de parlementaires du, de la majorité, comme de l'opposition, individuellement ont souhaité s'en saisir à, travers euh, la, mise en place d'une commission, c'est de, de, rester de, de, veille pour que, euh, pour une fois, le, les travaux de, euh, cette commission puissent être puisse faire la lumière sur un dossier aussi accablant que celui de, de, de 5 milliards. Armi Abba, euh, euh, les uns et les autres doivent euh, mener un travail de veille Non, bon, c'est bien le travail de, veille. dans n'importe quel pays où ce travail est possible, où la société civile est vraiment, je dirais, y compris la rue, se saisit d'une affaire, elle peut la mener jusqu'au bout. Mais c'est comme l'a dit euh, Ouseni, on aurait pu vraiment régler cette, affaire-là de la façon la plus simple, puisqu'il y a des cas qui ont fait école. Une des affaires a été jugée il y a une semaine, n'est-ce pas On a même des condamnations et, tout. On aurait pu procéder de la même manière. Surtout que les implications sont connues, on sait à peu près qui est impliqué, en tout cas directement, puisque des signatures euh, que l'auteur euh, n'a pas réfuté euh, lors de sa conférence de presse euh, sont là. Ça, c'est des preuves. Donc, il y a quelqu'un qui peut au moins répondre devant la justice directement. Ce n'est pas des faits où il faut aller enquêter, savoir qui a amené, qui a transféré l'argent. Non, c'est connu. Normalement, la justice, facilement, aurait pu faire la lumière là-dessus. Ce n'est pas le cas. Eh, mais les Nigériens doivent rester vigilants parce que moi, il y a quelque temps, quand les gens ont commencé à parler de commission d'enquête, j'ai dit euh, commission parlementaire, je, me suis dit que c'est voilà une fois encore du dilatoire qu'on veut nous faire avaler, c'est-à-dire euh, on nous distrait, euh, on se connaît dans ce pays, il n'y a que des urgences, il n'y a que des affaires vraiment rocambolesques, quelque chose va venir masquer ça et on oublie, c'est une fois dans un débat qu'on va rappeler qu'il y a eu une telle affaire encore. Quoi. Donc l'idéal aurait été que vraiment la justice... Sans alors, restons toujours dans ces cadres juridiques pour parler de ce verdict du procès en appel de l'affaire dite des bébés importés qui est tombée cette semaine. La Cour d'appel de Niamey, en son audience publique le lundi 13 mars, a statué en matière correctionnelle dans cette affaire de supposition d'enfants, malgré l'absence des avocats de la défense. Après examen du dossier et la réqualification des faits de la supposition d'enfants à recel d'enfants, 16 personnes ont été condamnées à un an de prison ferme dont l'opposant Hamamadou et son, épouse Hadiza Hama, l'ex-ministre d'État chargé de l'agriculture Abdoulabo et son épouse également et l'ancien directeur de la Sony Bank. Dans une déclaration publique euh, rendue euh, publique euh, en date du mercredi dernier, le bureau politique du Modern Lumana parle d'une parodie de justice. Je vous propose de suivre Soumana Sanda qui est président du groupe parlementaire Modern Zamzam. Le peuple fier du Niger a de nouveau subi dans l'humiliation et l'indignation une parodie de justice une de trop. En effet, comme vous le constatez, la Cour d'appel de Niamey vient de donner une fois de plus raison à Bazoum Mohamed qui affirmait que Hama Amadou ne pouvait pas échapper à une condamnation. Elle vient aussi de confirmer ce que nous vous affirmions dès le début de l'affaire dite de supposition d'enfant, à savoir qu'il ne s'agit ni plus ni moins d'une machination machiavélique orchestré par Issoufou Mahamadou dans le seul et unique but empêcher à son excellence Hamamadou d'être candidat à l'élection présidentielle cette même justice, malgré les dénonciations preuve à l'appui de l'opposition politique, de la société civile, détourne aujourd'hui son regard. Nous ne citerons comme exemple, entre autres, que l'affaire de 200 milliards de la Sopamine et celle d'Africa. C'était la Soumana Sanda, président du groupe parlementaire Zamzam du Modern Falumana. Nous allons encore suivre cette fois-ci une réaction du côté de la majorité au pouvoir. Hiro Sani, le secrétaire au bureau du Pendestaria, prend acte de cet état de fait et pose des questions à ceux qui ne sont pas d'accord de cette décision. Nous prenons acte des décisions que la justice a prises. Maintenant, si quelqu'un a des reproches à faire, c'est à la justice qu'il doit s'en prendre. Et c'est tout. Ici, il n'y a personne d'autre qui est impliqué si ce n'est pas la justice. Si quelqu'un dit que c'est un procès politique, cela veut dire ou bien que c'est l'État qui a commandé les bébés pour faire un procès politique, ou bien qu'il n'y a pas de bébés du tout. S'il y a des bébés, il faut que les gens qui détiennent ces bébés-là expliquent à la justice ce que font ces bébés avec eux. S'il n'y a pas de bébé du tout et que c'est des mensonges que la justice est en train de faire, alors c'est un procès politique. Alors, vous venez là d'écouter donc euh, Hirosani, qui est membre de la mouvance présidentielle, membre du parti PNDS Tarea. Arimi Abba, vous venez de suivre les deux hommes, d'abord le modèle foi qui réagit à, cette euh, condamnation et la réaction du, du PNDS Tarea. D'abord, un mot sur euh, peut-être ce que, euh, disait bon, Soumana Sanda. Euh, justement, Soumana Sanda disait que c'est une parodie, de, justice. Parodie, de, Écoutez, sincèrement, je ne me connais pas trop là-dessus, mais je ne m'attendais pas à un tel dénouement de cette affaire au vu de tout tout, vraiment tous les remous que ça a suscité. voilà, on, est à la condamnation maintenant. Les principaux concernés sont à un an de, condamnation et les autres euh, sont arrivés jusqu'à cinq ans. Ça, c'est pour les complices pour avoir fait des faux papiers. Euh, ma, ma question sur cette affaire a toujours été, mais ces enfants, est-ce que quelqu'un se soucie de leur sort Vraiment, c'est ça qui me préoccupe parce que nous sommes dans un euh, pays quand même qui a adhéré à la Convention sur le, les droits des enfants et tout. Voilà ces enfants, qu'est-ce qu'ils seront demain personne, ça ne préoccupe personne, mais c'est le cas des hommes politiques et tout. Euh, justement, euh, le premier commentaire que ça peut se donner, c'est que bon, on va condamner un opposant politique, un candidat potentiel à une peine, qui va certainement lui empêcher de, se, présenter, aux élections futures. Et c'est des bonnes guerres. Moi, je pense que son camp devait nécessairement réagir pour dire euh, ce qu'il doit, ce qu'il doit dire. C'est que vraiment, on, aura, on aurait fait tout ça pour ça, quoi. Vous êtes d'avis avec lui quand il dit que c'est, ça a été orchestré dans le but de, d'empêcher un candidat en à se euh, présenter Sans être spécialiste de la justice, j'ai comme l'impression qu'il y a eu beaucoup de tâtonnements. On a tâté, on a cherché à tout prix d'atteindre un certain but. C'est l'impression que j'ai. Hussein Issa, votre avis par rapport à cette, cette euh, condamnation du, dans l'affaire des titres des bébés importés à Mamadou, président du Modern C'est un non-événement pour moi. Parce que tout simplement, c'était un objectif à atteindre. Il fallait créer les conditions pour qu'un candidat, en tout cas un candidat potentiel dangereux, ne puisse être là sur le terrain. C'était ça l'objectif. L'objectif peut-être a été atteint, quand même, ça n'a pas été. Mais l'affaire elle est réelle quand même. il y a, non, non, quand même des enfants. non, ça n'a pas été démontré parce qu'il n'y a personne qui est venu du Nigeria pour dire que des enfants à moi ont été récupérés. Il n'y a personne. Il n'y a pas de plainte. En première instance, les juges ont dit non. Le juge a dit non. Il faut d'abord traiter de l'affaire en civil. Euh, quand on est arrivé, on a vu ce qui s'est passé, je ne vais pas commenter, c'est une décision de justice. Mais moi, je dis tout simplement une chose. Il y a des affaires qui m'engagent, moi. Quand il y a des milliards qui sont détournés, qui sont des affaires importantes, et qu'on on veut fermer les yeux sur ça, on veut étouffer tout ça, je m'en fous de l'enfant de quelqu'un. Excusez-moi de l'expression, mais je m'en fous de l'enfant de quelqu'un. Mais l'argent là, moi, ça m'engage. Aujourd'hui, l'école, on est dans l'incertitude. Est-ce qu'on va aller jusqu'en fin d'année Est-ce que l'année va être validée Sur quelle base C'est ça mon problème, moi. Quand il s'agit, la santé, les médecins spécialistes étaient en grève, sont en grève depuis des mois. Est-ce qu'on on va venir faire d'une affaire privée une affaire de la nation Moi, je suis d'accord, je suis contre ça. On vient pour gérer les affaires de l'État, pour pas gérer les affaires des familles. Chacun gère sa famille. Quiconque peut aller prendre, c'est son affaire. Et on en fait une C'était des personnalités quand même. mais quelles personnalités Mais ce pas des personnalités qui sont impliquées dans ces affaires de détournement de, de, 200 milliards. Ce pas des personnalités. Est-ce que ces 200 milliards-là, ces 200 milliards-là, ça peut permettre Tous les problèmes aujourd'hui J'ai entendu des de, de, parents d'élèves ou des pseudo-parents d'élèves, sont te dire que les enseignants ont tort. Ils ne doivent pas revendiquer. Ils doivent aller parce que c'est. Non, non, il faut qu'on arrête. Il faut que ces gens comprennent que l'enseignant, il vit comme tout le monde. Donc, il faut le minimum pour qu'il puisse vivre. Le médecin, il faut qu'on lui donne les moyens pour qu'il puisse au moins le matin, puisse être sur pied pour aller travailler. Il faut, pas, il faut, il faut qu'on arrête. Jafar Maman, du journal L'Indépendant. Alors, un mot sur cette affaire, les réactions des uns et des autres. Oui, je relève euh, euh, dans ces procès, euh, à l'issue de ce procès, quand même une sorte de retour au factuel, puisqu'on n'est plus dans, le discours politicien ou euh, strictement politicien où la majorité tente de traîner euh, l'opposant Hamamadou dans le dossier où euh, l'opposition tente d'escamoter les faits faits pour ne voir que le, le, politique ou la politique politicienne dedans. Moi, c'est que la leçon que j'ai tire de ce procès, c'est que au moins on est allé euh, on a entamé la phase, puisqu'il y a un appel, on a entamé la phase factuelle, c'est-à-dire que euh, les juristes, les avocats, comme les, les, les euh, personnes poursuivies, ont pu s'exprimer et continueront à s'exprimer pour qu'il y ait plus de clarté. Mais lors, de, cette audience, cette audience en, appel, il y avait les avocats de la, partie oui, incriminée étaient absents. C'est un choix stratégique pour, pour ces avocats. Je pense que le, dossier n'est pas clos. Donc, ne considérons pas que pour l'instant, il y a la possibilité de faire appel. Et moi, ce qui m'intéresse dans, dans ce procès, c'est au moins depuis plus d'un an ou deux ans, on est allé à un débat de fond sur les faits où chacun doit défendre sa position, ses faits. Ça, c'est plus intéressant. Parce que pratiquement l'affaire bébé importé, le procès a été fait dans la rue et dans les des partis politiques, où on s'acquise, on met tout et on ne permet pas aux Nigériens de comprendre. Le second aspect, je salue cette, analyse de, justement par rapport aux enfants. On en a fait euh, abstraction des droits des enfants on ne parle que de, euh, de la carrière de tel ou tel, ou on ne parle que d'enfoncer un tel, de deux camps. S'il faut parler de ces enfants, qui doit, qui doit, qui, qui normalement. Mais il y a des associations de droits de, de, des enfants. Il y a l'État qui a, la, enfants, le, vivent, de ils Vivent dans, les, familles des, personnes incriminées. Mais bel et bien, puisqu'on reproche à ces parents-là que, que, euh, que ces enfants-là ne les appartiennent pas, mais, mais l'État doit prendre des dispositions pour que qu'on démontre que ces enfants-là sont en insécurité et qu'ils méritent plus d'attention. Et même dans toute la conduite du procès. On n'a jamais vu une réaction même de représentants de l'État pour un peu cadrer le débat sur le, le, les droits des enfants. Comment vous Lorsqu'on parle des de, de bébés, euh, j'aurais voulu qu'on épargne la vie de ces enfants-là. Les écrits qu'il y a, les différents discours médiatiques qu'il y a, resteront et que ces enfants-là peuvent grandir et croiser ces genres cris aussi euh, euh, euh, violents à leur, à l'air égard. Mais ça veut dire qu'ils ils seront traumatisés. Je n'ai jamais vu qu'on on a mis un dispositif, aucun dispositif pour s'occuper de cet aspect-là. Ça, c'est une violation grave des droits des enfants. Alors qu'on sait que, puisque le procureur qui représente le parquet, qui représente la partie gouvernementale, la partie publique, devrait avoir cet aspect-là, puisque nous avons même un juge des mineurs. Ça veut dire que cet aspect-là, on l'a totalement mis à l'écart et on s'est acharné sur euh, la position sociopolitique des de, de, prévenus. Et c'est là où le, raté de, de cette affaire des bébés. Et c'est pour cela que j'ai dit, en, allant vers le procès, je l'ai écrit, j'ai dit au moins, on va faire un débat sur les faits et que les gens auront l'occasion de se défendre. Puisqu'il y a eu appel, je pense qu'ils vont continuer à se défendre et à partir de cela, que les Nigériens soient éclairés de ce qui se passe. Mais il y a eu déjà des condamnations. Mais les condamnations ne sont pas définitives puisqu'il y a la possibilité de faire appel à la Cour de cassation. Maintenant, un autre aspect, euh, c'est le euh. discours. C'est le discours politique euh, des uns et des autres, surtout vers la justice. Ils sont de leurs droits que ce soit de, la majorité ou que ce soit dans, de l'opposition, de, ils sont dans leur rôle de parti politique. Aujourd'hui, en venant ici, j'ai suivi Trump qui, qui, attaquait la justice, la décision de justice, ou du moins c'est la justice américaine d'un État, parce qu'elle a suspendu son décret. Et il parle en, en politicien. Ça veut dire qu'il faut faire la part des choses. Il faut laisser voir ces dossiers-là évoluer et voir clair et il y a le discours politique, ça, on ne peut pas empêcher un politicien de oh, transformer nous, une, nous, allons aborder euh, une autre bataille judiciaire, cette fois-ci de l'État du Niger, dans le contentieux qu'il oppose à l'entreprise Africar. Sa demande de sursis à statuer et des reports d'audience a été rejetée par le tribunal de Nanterre. Le procès va donc se poursuivre avec une audience fixée le 6 juin 2017 euh, prochain. Dans cette affaire, le Niger est condamné, comme vous le savez, à payer un peu plus de 16 milliards de francs CFA à la société africaine. En exécution de ces décisions, la société africaine a procédé à plusieurs saisies des biens et avoirs du Niger en France, aux États-Unis, et une partie des avoirs du Niger a été gelée dans les comptes de la société Areva. Nous allons, je vous propose qu'on suive ensemble Maître Ilo Issoufou, l'avocat de l'État du Niger. Pour lui, son client n'a pas été débouté et n'a rien perdu dans ce procès. Ce jugement comporte deux phases en réalité. Il y a cette demande de sursis à statuer et il y a également la contestation des saisies proprement dites dans leur validité. Ce juge-là, il n'a pas dit que l'État du Niger a définitivement tort. Il n'a pas dit que l'État du Niger a perdu son procès il a tout simplement dit, au vu des pièces que vous nous avez produites, parce que ce sont des photocopies, il ne me semble pas probant que ces éléments constituent des éléments de fraude. Nous nous sommes réconfortés parce que le juge nous a accueillis dans nos pièces, il les a appréciées souverainement, c'est son droit, parce que nous sommes dans une, matière civile où la production des éléments de preuve, leur véracité, soit l'apanage des parties et non l'apanage du juge. Et je vous assure que qu'au moment où nous sommes en train de parler, l'État du Niger n'a absolument rien perdu et n'a pas perdu son procès parce que ce n'est que le début de la procédure. Vous venez de suivre donc Maître Ilo Issoufou, qui est l'avocat de l'État du Niger dans cette affaire contre la société africaine. Alors, je me tourne vers vous, Ousseini Issa. Vous avez écouté euh, l'avocat euh, de l'État du Niger qui dit que l'État euh, peut encore rattrapé. L'État du Niger n'a pas perdu. Le procès s'est d'abord déroulé ici, sur place. L'État du Niger a été condamné. La société des escrocs, ils ont pris le dossier, ils sont allés à Abidjan. À Abidjan, on a condamné l'État du Niger. Ils ont pris le dossier, ils sont allés en France. On a fait condamner l'État du Niger soit allé aux États-Unis, on a fait condamner. il était où Lui, il était où Vous parlez de qui de, cet avocat. Il était où Pendant toute cette procédure-là, lui, il était où faut pas divertir les gens. Mais il y a toujours possibilité de, non, il y a possibilité par rapport à quoi Possibilité par rapport à quoi Parce que les clauses là, quand vous signez un contrat ou un machin, c'est qu'il faut respecter. Ou si vous, vous n'arrivez pas, il faut créer les conditions pour que. Mais ça n'a pas été fait. Et on a banalisé. On a banalisé une société de gens qui sont allés... pas que des escrocs. Je reprends le terme de. Je sais pas. Il a parlé de voyous Des voyous ou des escrocs. C'est des escrocs qui sont en train de nous humilier. C'est des escrocs, hein. C'est moi, c'est pas, ça vient pas de moi c'est eux qui disent que c'est des escrocs. Comment des escrocs sont en mesure de mettre en mauvaise posture un État Et aujourd'hui, parce qu'il a fallu que des journaux révèlent cette affaire-là. Sinon, les Nigériens ne sauront jamais, ne sauront jamais qu'il y a une affaire comme ça où le Niger va perdre beaucoup de choses. Alors que, ils ont demandé même une entente à l'amiable allait coûter moins cher au pays. Par rapport à ce que c'est... Mais bien sûr, mais ils avaient demandé ça. Mais ça a été refusé. Mais aujourd'hui, les gens sortent pour vouloir divertir. On n'a rien perdu, on n'a rien perdu. la justice dans ces pays-là, ce n'est pas la même chose qu'ici. Ce n'est pas possible, ce n'est pas la même chose. Les juges sont véritablement indépendants. Quand ils sont là pour statuer sur un dossier, c'est d'abord les preuves. Il faut montrer qu'effectivement, mais on a vu que le ministre des Finances a. Mais il a dit quoi que c'est qu'il y a eu qu'il y aurait eu des, juges corrompus. corrompus par rapport à quoi Il a les preuves. Est-ce qu'il a apporté les preuves Quand il a dit ça, est-ce qu'il a sorti les preuves Non, non. Moi, moi j'ai non. Mais ok. C'est pas. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Nanterre, à Les juges ont dit non. Ce que vous nous avez amené là, ça ne tient pas la route. Reste pas à le 6 juin. Oui, euh, le 6 ils vont sortir quoi encore Arimi, Abba de, la radio alternative. Écoutez, euh, moi, à mon Est avis. Est-ce que le Niger euh, a encore de chance L'idéal pour nous, Nigériens, serait qu'on connaît encore la chance. Mais c'est une affaire euh, de justice. les gens parlent que c'est des escrocs, que c'est des gens qui ne cherchaient que ça, qui ont trouvé l'occasion, mais c'est de bonnes guerres. Il y a eu un contrat qui n'a pas été respecté. C'est comme ça en la matière. Parce que le juge, lui, ce n'est pas le sentiment qui l'intéresse, c'est des faits qu'il juge. Tu as signé un contrat avec quelqu'un, c'est aussi simple que ça. Euh, on considère que la personne va prendre des engagements au nom de ce, au nom de ce contrat-là. Il peut même aller prendre de l'argent à la banque à cause de ce contrat-là. Il peut reporter toute autre affaire, c'est-à-dire c'est toute autre affaire cessante qu'il se met à ta disposition le moment venu, tu dis non, moi, État du Niger, j'ai interrompu ce contrat. Ils viennent te dire que non, ça ne se passe pas comme ça, il faut nous dédommager à l'amiable. Tu dis que tu ne fais pas. Mais après, quand les gens portent l'affaire au niveau international, tu es condamné et tu vas perdre. Maintenant, c'est par rapport à la gestion de cette affaire. Moi, je pense que le premier responsable du pays doit pouvoir frapper la justice nigérienne doit pouvoir frapper. Frapper qui 16 milliards. Mais ceux qui ont engagé le Niger et qui l'ont désengagé de cette manière, c'est de l'amateurisme pur et simple. Ça n'a aucun sens cette affaire. On ne peut pas conduire des affaires de l'État de cette manière. Jafar, Jafar Maman, journal indépendant. Oui, moi je vois, je vois vraiment euh, une indélicatesse, euh, permettez-moi l'expression de des autorités, du gouvernement dans cette affaire. Puisque quel qu'en soit celui qui a engagé le Niger, il l'a fait au nom du gouvernement. Donc l'indicatrice ici revient au gouvernement. Comment Espérons même euh, que c'est une société, c'est des escrocs, c'est une association des escrocs. Mais comment ces gens-là se sont constitués en association Ils sont venus euh, négocier avec vous et qu'on n'est pas capable pour un État de vérifier que cette société-là existe en bonne et due forme. Et c'est après avoir signé le contrat qu'on constate que c'est une société escroc. Ça veut dire quoi ça, veut dire que. Mais ceux qui ont signé ça au nom de l'État, ils nous, mettent en insécurité. Ça veut dire qu'on n'a pas de garantie si une société euh, d'escrocs peut signer avec l'État et peut réussir à tromper l'État jusqu'à les traîner en justice. Ça, c'est la première erreur du gouvernement. La seconde erreur, c'est dans le déroulé. Vous avez perdu, que ça soit, que des juges à l'international soient corrompus. En est une chose. Et c'est de bonnes guerres pour ceux qui les ont corrompus. C'est vrai, c'est néfaste. Mais comment vous avez perdu le procès chez vous On a engagé la bataille. Ces escrocs-là, ils étaient tellement intelligents dans leur escroquerie entre griffes qu'ils ont attaqué le Niger à l'interne auprès de nos institutions judiciaires. Et ils ont gagné. Alors, est-ce que est-ce que c'est déjà trop tard pour l'État du Niger dans cette euh, affaire de récupérer encore ce qui est encore récupéré Oui et non. Oui, pourquoi Parce que le Niger, le Niger, a déjà pris un coup dans cette affaire. Le, tout la euh, de, de l'État du Niger est dévoilé à travers cette affaire. Si on peut traîner une affaire aussi banale qu'une simple société euh, même de deux personnes, ne peut pas se laisser faire. Et c'est tout l'État qui s'engage. Avec toute son architecture juridique, il se laisse piéger dans cette affaire. Et eh bien, qu'on nous invite que quand les Nigériens parlent, on dit que non, il, n'est pas patriote. Non, le premier patriotisme, c'est que le Niger a choisi des gens démocratiquement il les a placés. Et, ils ont fait confiance à des gens qui ont le profil et qui nous ont laissé piéger dans cette histoire. C'est à eux de qu'on doit parler du patriotisme. Alors nous allons, nous allons aborder c'est un tout autre, nous allons aborder euh, donc cette alerte dont je vous parlais en titre du Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA. Dans son bulletin humanitaire sur le Niger de janvier et février 2017, il évoque plusieurs écoles, de cas désertées ou fermées dans certaines régions du pays. La raison, selon OCHA, l'obligation pour les enfants d'être avec leurs parents à la recherche de zones de pâturage favorables, l'insuffisance fourragère est estimée à plus de 40% dans les régions concernées. Alors je vous propose de suivre cet élément de Raila Toussoumana. Selon OCHA, plus de 33 000 élèves ont abandonné les classes, soit 17 200 élèves à Zender, 13 000 à Tawa, 2 000 à Agadez et 1 000 à Maradi. Cela représente un taux d'abandon de plus de 50 La raison, selon OCHA, l'obligation pour les enfants d'être avec leurs parents à la recherche de zones de pâturage favorables. L'insuffisance fourragère est estimée à plus de 48 dans les régions concernées. De notre côté, les déplacements des populations liées à l'insécurité qui prévaut dans la région de Difa ont aussi occasionné en novembre 2016 la fermeture de 151 écoles et 12 600 enfants ne vont plus en classe. Mais le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU précise que 74 écoles ont été relocalisées dans cette région grâce aux actions des autorités éducatives et des organisations humanitaires. Actuellement, 121 écoles ont été réouvertes, mais les 30 autres devant accueillir environ 1280 élèves sont toujours fermés dans la région de Difa. Armi Yaba, vous avez suivi cet élément. Donc, l'air est grave. La situation elle est alarmante dans ces régions, notamment, ils ont cité Agadez, Maradi, Zander. Ben, écoutez, c'est dans tous les cas l'école euh, elle-même qui, euh, qui vit une situation dramatique. Euh, les enseignants, dans tous les cas, dans partout dans le pays euh, sont en grève. Et on ne veut pas s'occuper d'eux parce que moi, la sortie du ministre Bazoum, c'est de cette manière que je l'interprète. Maintenant, pendant, il y a eu des moments où au Niger, ce n'est pas la première fois que les populations se déplacent, que ce soit à cause de la famine ou à cause des de déficits fourragers ou même de l'insécurité. Mais de tout temps, l'État euh, à trouver des solutions. On connaît en zone nomade qu'il euh, y a eu des périodes où l'enseignant s'est déplacé justement avec les troupeaux. Parce que l'école, ce n'est pas n'importe quoi. Il faut peut-être qu'on dise, euh, qu'on le dise à notre gouvernement, des pays en guerre, à Alep, encore des enfants vont à l'école. N'est-ce pas Donc c'est parce que c'est hyper important. Là où il n'y a pas l'école, normalement, il n'y a plus rien mais ce n'est pas le cas dans notre pays. Euh, on considère que, le paysan, l'éleveur qui a des problèmes pour ses animaux, s'il se déplace avec son enfant, il n'a qu'à aller, c'est pour lui. Euh, c'est de ça, c'est étonnant, c'est justement pour faire le lien avec l'affaire des bébés importés. Si l'enfant, si l'enfant est si important que ça, pourquoi l'école est si délaissée un Maman, rapidement. Oui, je pense que ce problème euh, aurait dû être pris en charge par le gouvernement quand on sait que déjà il y a une étude, il y a, des campagnes. Euh, des campagnes de vaccination et des campagnes euh, pour évaluer la situation agricole du pays. Ça veut dire qu'à partir de, cette situation générale et par région, on connaît les zones déficitaires, on peut prendre en charge ce genre de problème. On l'avait connu, moi je l'ai connu je, quand j'étais encore à l'école primaire dans certaines régions, par exemple en 84 avec euh, la, la, famine, il y a des, des, des, parents qui se déplacent avec, leur, avec nos amis, des élèves, dont même le premier de ma classe, et qui, qui ont quitté la région parce que tout simplement ça n'allait pas. Mais c'est des situations d'urgence qui sont là, qu'on devrait prendre en charge. il y a eu des cas de sur cette question de liés à l'insécurité euh, alimentaire C'est 33 000 enfants, non Oui. Mais moi, je considère que c'est au-delà de 33 000 enfants. Est-ce que l'école fonctionne ici à Niamey Ça fait combien de semaines que les, enfants ne sont pas allés à l'école Non, il ne faut pas, parce que de l'autre côté, on dit non. Non, je suis, moi, je suis un défenseur de l'école, de la santé, des services sociaux de base. Je ne suis pas d'accord avec, parce que tout simplement, c'est Ocha qui a fait, et c'est ça qui a fait que ça a eu un écho. Sinon, on n'allait pas savoir qu'il y a 33 000 enfants qui se sont déplacés. Si ça ne tenait qu'au gouvernement. vous, vous, vous une rétention de l'information Non, non, non, il y a une rétention de l'information. Ils ne vont jamais mettre ces informations-là à la disposition. Jamais. Alors, pour ils, n'allaient jamais mettre ces, informations. ces enfants, ces enfants-là, ces enfants, comme les enfants de Yamé, qui sont dans le public, qui sont dans le public, Aujourd'hui, le public, le système public de l'enseignement, zéro. Alors, nous allons finir, nous allons quand même finir ce forum. Il nous reste que trois minutes hein, avec un dernier sujet, c'est l'élection euh, du tout nouveau président de la Confédération africaine de football, euh, qui est le Malgache Ahmad Ahmad, qui remplace donc euh, Issa Ehatu, le Camerounais, en poste depuis 1988. Alors, euh, Jafar Maman, une surprise cette élection euh, oui, surprise, euh, on peut dire oui quand on sait que la longévité de Issa Ayatou à la tête de la CAF et ça peut présager le, chèque d'un adversaire à lui. Mais pas de surprise quand on prend de façon générale la situation depuis la crise qui a secoué la, la FIFA à l'élection de, du Suisse Infantino. On sait que euh, il y aura une, une, sorte de réforme, une sorte de révolution au sein des instances régionales. Et ça, on sait que ça, ça allait venir et le... Alors, ce nouveau, président, je, m'en vais donner la parole à Armi, ce nouveau président, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui véritablement Écoutez, euh, il n'a pas encore euh, déroulé les actes qu'il va poser. Mais quelles sont les attentes en termes de réforme Tout de suite, il a parlé de nos doutes de l'ancien bureau. Et au-delà, ce qu'il faut s'attendre, c'est que heureusement, c'est une nouvelle équipe qui vient et nécessairement, euh, pas parce qu'ils veulent, mais la gouvernance au niveau du football continental va nécessairement changer et peut-être donc il y aura plus de moyens pour jouer au football et non des gens qui se les mettent dans la poche. Voilà. Ouseni Issa l'élection du nouveau président qui remplace Issa Ayatou, qui était en poste depuis 88. oui, mais il n'a pas pris la leçon. Qui n'a pas pris Lui, le nouveau, le, Issa Ayatou. 30 ans. 30 ans, tu es là. 30 ans, tu dois comprendre que tu dois lever. Pour laisser la place, ah, tu dois te lever et laisser la place à quelqu'un d'autre. 30 ans durant, tu es là en train de manœuvrer de manière souterraine pour que chaque fois on te reconduise. Aujourd'hui, ils se sont dit non, il faut arrêter. Il faut arrêter. il, hein, n'a pas vu venir. Parce que l'avant-veille, on a fait une projection, une, projection sur, le parcours de, la Confédération à, laquelle il a assisté pour monter. Non, il faut, quand on arrive à un certain moment, il faut se dire, il faut arrêter. Et, puis c'est le problème global des dirigeants africains, notamment de nos chefs d'État. Ils s'éternisent à la tête euh, des institutions, à la tête des États, et ils commettent tellement d'actes graves, après ils ne peuvent plus partir. La seule solution pour eux, c'est de mourir à la tête de ces institutions. 18 heures passées de 59 minutes, nous sommes au terme du forum de la presse de ce soir. Nous étions avec Jafar Maman, directeur de publication du journal L'Indépendant. Arimi Abba, journaliste euh, au niveau de la radio alternative, et Hussein Issa, journaliste indépendant Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à toutes et à tous.